wa Déjà, on a débuté, alhamdulillah, euh, comme on a dit le but, euh, moi je vais essayer de commencer là où il a fini. Première chose, euh, c'est la sincérité. Vous savez, pour que le Seigneur accepte nos adorations, ah on a oublié, Mohamed, il doit lire le Coran, non Il dit pas en Toi, tu dormais tu es prêt hein? Quelle sera ton thème je sais pas, on Tu lis maintenant ou tu attends demain J'attends demain. Ah. Bon, ça, on comprend. <laughs> Allah Alors, <clears throat> la sincérité surtout vraiment. Si on a la sincérité, on a la récompense même avant qu'on commence. C'est ça le plus important. Parce que le voyage que nous, on a ici, n'est pas que le voyage simple, c'est pas que le tourisme simplement. Certes, on arrive à voir des choses, on est récompensé par le, Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est ça le plus important. Si on a la sincérité, on est avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala et les messagers d'Allah, les paroles que nous a dit Alhamdulillah, on est assuré. Habab al-Kiram, comme euh, il a dit au début, vous savez d'être là pour faire l'umrah, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, je pense quand même tout le monde sait. Souvent, il y a des choses, peut-être je peux décider d'aller tel endroit ou de faire ça, mais Allah dit non, non, cette année, il faut que tu fasses l'umrah. Quoi qu'il arrive, euh, et ça passe comme le Seigneur, il a voulu. Donc, mais nous, on a l'intention, et après, le reste est facile au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on vient ici, vous savez, les hasanat, les bonnes œuvres, ils sont mieux récompensés. Surtout, il y a des endroits les bonnes œuvres, ils sont récompensés. Il y a des mois, il y a des lieux. Et souvent, ça dépend la personne aussi. Quel mois les œuvres Alors moi, je pose beaucoup de questions. Ça, vous savez maintenant. Hamada. Hein. Vous savez, les mois, il y a des mois, les hasanats, ils sont récompensés. Par exemple, le mois passé. Rajab. Parce que vous savez, il y a quatre mois sacrés. Et les quatre mois sacrés, donc euh, moi j'ai dit premier. Le premier c'était le mois passé. Alors le 3, oui, Mohamed Hein Oui, Mohamed. Ramadan. Ramadan, sûr, vous êtes sûr Ramadan hein? Muharram, eh, Muharram. Oui, Zul Pour vous faciliter le septième mois de l'année, 11e mois, 12e mois, premier mois. Le 3. Le Ramadan il fait partie aussi mois de Ramadan Shahar al-Quran. Et eh, là, c'est pas Shahar al-Quran, là, là. Donc, c'est moi aussi, c'est. Oui, Alors, si on regarde normalement, c'est moi aussi. Shahar, oui. Azul ah, Hajj, donc, il fait partie. Donc, ça, c'est Shahar al-Quran. Avant, vous savez, il y avait des savants. Si on commence, c'est moi, Shahar Shaban ils ferment leurs magasins uniquement pour lire le coran pour préparer le mois de Ramadan. Donc, le mois passé, c'est sacré. 11 mois, c'est sacré. 12e mois, c'est sacré. Premier mois de l'année, c'est sacré. Essayez de retenir les trois. Les trois, ils sont collés. Il n'y a que le septième mois qui le mois passé. Il est isolé. Par exemple, les Hassanat pendant ces quatre mois, ils sont différents. Également, il y a des endroits, les Hassanat, ils sont, mashallah, c'est comme euh, là où nous sommes, à Médine. Et encore plus aussi, c'est à la Mecque. C'est pour cela, j'ai dit au début, on fait attention de ne pas d'aller d'appuyer jusqu'à, je ne sais pas comment, jusqu'au le tapis après. Euh, non, on essaie d'aller doucement vraiment. Parce que Allah sait ce que vous, avez dans le cœur. Allah sait pourquoi vous, vous êtes là. C'est ça le plus important. Si tu es fatigué, repose-toi. Fais ta prière à l'hôtel. Demain, tu, pars à la mosquée. C'est pas compliqué. Parce qu'il y a trois choses à retenir. Ou les trois lieux sacrés, les trois grandes mosquées d'Allah subhanahu ta'ala. Ici, quand le prophète sallallahu nous a dit, il était dans sa mosquée ici à côté. Et la prière, la récompense, ou les récompenses dans cette mosquée, c'est mille récompenses. Les Hassanat. Alors, est-ce que ça concerne les cinq, euh, prières obligatoires seulement Non. N'importe quel raka. Si tu veux la nuit, tu pars à la mosquée avant que l'imam commence, tu fais deux raka, mille, tu fais encore deux, cinq mille, ainsi de suite. Mais si c'est à la mosquée de Palestine, c'est combien La récompense, on a 500. Mais là où nous partons, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut garder quand même euh, là-bas Là-bas, t'as dit combien 10 000 Donc toi, tu t'as diminué alors C'est pas 10 000, hein C'est 100 000 récompenses. C'est loin de 10 000 quand même, hein, Mohamed. Donc 100 000 récompenses. Et 100 000 récompenses, n'importe quelle prière. Imagine quelqu'un qui fait 10 raka aujourd'hui. La nuit, il fait 10 Un Ainsi de suite, ainsi de suite. n'est pas négligeable. Donc, comme si on est fatigué en arrivant là-bas, après l'Omra seulement, eh non, donc, Alhamdulillah, on fait euh, doucement. Et après, à la on fait ce qu'on a. On peut, après, aller donner des hasanat là. Donc, ça, il ne faut pas oublier ces trois. Et si on arrive à la mosquée du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, première chose, comme j'ai dit au début, on doit saluer le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On passe devant, salam alaikum ya Rasulallah. Il y a des doigts à rajouter, tu peux rajouter comme tu veux. Sinon, de dire ça, wa rahmatullahi wa barakatuh, nashadu annaka ballaghta risala, jusqu'à la fin, c'est possible ou tu passes juste à côté, comme il nous a donné l'exemple. Inch'Allah, il y a des musées que nous allons visiter mardi. Donc là, après, il y a des images comme ça, vous verrez dans la tombe comment ils sont. Ils sont ils, euh, Bakr et le prophète d'abord, Abou Bakr et Omar, dans la tombe. En réalité, quand je dis en réalité, comment ils sont enterrés Parce souvent, il y en a, ils parlent, mais quand même, ce n'est pas la vérité. Mais ça, on arrive à voir comment vraiment ils étaient enterrés ici, dans la mosquée du prophète sallallahu alors, lorsqu'ils sont, ils sont décédés, ils étaient enterrés dans la mosquée, c'est ça Dans la chambre d'Aïcha. Et la mosquée, elle était où ah, elle était à côté. Ça, c'est une bonne réponse aussi. Parce que souvent, il y en a, qui disent Ah, le prophète sallam, ben, il était enterré dans la mosquée. Où Parce que si on voit ici, elle est où normalement la tombe La tombeau, elle est où Dans la mosquée. Donc il y en a, ils pensent que lorsqu'il est décédé, ils ont enterré dans la mosquée. Alors là, ce n'est pas le cas. Donc la tombeau, c'était euh, l'appartement, parce que ces endroits-là, c'était des appartements. C'était l'appartement des anha. La mosquée était à côté. Inch'Allah, dans le musée, comme ça, il y aura des explications claires, Inch'Allah. Mais au fur et à mesure, ils ont agrandi la mosquée, c'est normal. Donc là, c'est rentré. Donc ça, il faut qu'on explique comme ça aux gens. Sinon, là, il y en a, ils pensent que non, non, ah, ils ont enterré le processus dans la mosquée et pourquoi nous, les gens, ils disent maintenant, il ne faut pas enterrer. Ce n'est pas le cas. Donc, on passe, après la salutation sur le euh, pour le professeur sallam, Abu Bakr, Omar et après Ça, c'est la première chose dans la mosquée. Et en face, il y a Baqia. Vous avez remarqué, euh, comme je dis dans les cas aussi, généralement, je ne dis pas tout le temps parce qu'il peut y avoir des exceptions. Peut-être il n'y a pas de dianaza mais quand même souvent c'est tout le temps. Alors après, l'enterrement, voilà, l'enterrement c'est juste à côté, Et c'est de là-bas. On a dit, il y a combien de personnes qui sont, sont enterrées dans la, euh, chambre d'Aïcha On a dit les, les prophètes sallallahu sallam et Omar, Abu Bakr et... À ces ah, trois. Hein? Et le quatrième calife, lui, il est où les troisièmes d'abord et les quatrièmes, ils sont à Baqaya. C'est cela Baqaya qui est à côté. Là-bas, il y a Osman Et Osman normalement, au début, c'est lui, il a acheté un endroit. Et lui-même, il était enterré là-bas, radiallahu anhu. Donc, en parlant de Osman même de parler à Ousmane direct, euh, son histoire directement, je peux continuer jusqu'à minuit. Tellement son histoire, c'est riche, masha'Allah. Surtout ici à Médine. Juste derrière nous, ici, il y a euh, vraiment on peut dire des buildings hein, au nom de Ousmane jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ça là si on a l'argent de mettre sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mashallah. Toi tu peux partir, mais dis-toi que l'argent va rester quand même jusqu'au jour de la résurrection. Tu es dans ta tombe et tu es récompensé. Ça, ça s'appelle Sadaqatul Jariya. Le monde qui part. Et c'est pour ça là il y a des jardins de Ousmane ici jusqu'au jour d'aujourd'hui. Des hôtels jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là-bas, il y a Ousmane, lui, il est enterré là-bas. Et pas mal de savants, on peut même les, les tentes des prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'appelle, il y a un endroit, ça s'appelle euh, Baqir al-Ammati aussi. Également nos mamans, c'est-à-dire les épouses de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on regarde, toutes les épouses de des elles sont enterrées là, excepté Khadija et Memouna. Khadija, Inch'Allah, nous allons vous montrer ça à la Mecque. Memouna, ça c'est entre la Mecque, c'est vers là-bas c'est sur le chemin. Mais les autres, quand même, là, ils sont tous enterrés ici à Baqia. À l'imam Malik, les compagnons, machallah, ici à Baqia. Ce sera l'imam Malik, tellement il ici à Médine, imam Dar al-Hijra, lui, il ne marchait pas avec les chaussures quand il est à Médine ici. C'est comme un pied ici à Médine. Respect pour le prophète sallallahu alayhi wa Donc nous aussi, on essaie d'imaginer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 entre nous et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si on arrive à imaginer. C'est-à-dire, on se pose la question, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on est derrière lui et nous souhaitons être avec lui dans le paradis, inshallah. Alors, c'est lui, il est enterré tel endroit. Comment on arrive à imaginer notre situation c'est machallah, c'est quelque chose quand même touchant, émouvant, ahbab al-kiram. Ne serait-ce ça seulement, déjà on est récompensé. Donc si tu passes devant sa tombeau, de faire dua pour lui, c'est quelque chose. Euh, euh, cest le Seigneur qui choisit quelqu'un de venir aussi, de voir l'endroit, de prier sur lui. Parce que si on est à Paris ou je ne sais pas, on est à Bamako, tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu pries sur lui, il y a un ange qui ramène directement jusqu'à ici à midi. Imagine, toi tu es à midi, toi tu es dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on essaie de, regarder euh, la réalité en face. De dire, ah, nous on est à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et profiter de faire beaucoup de doigts en ce moment. Des doigts tout le temps. C'est pour ça un pèlerin. Allah il a réservé beaucoup, beaucoup, beaucoup de hasana pour un pèlerin avant même que tu arrives euh, à la Mecque. Ça commence par là. Il y a l'eau de Zamzam, tu bois de l'eau de Zamzam. Hassanat, c'est machallah. Mais déjà, tu es dans la mosquée. Prie sur le prophète sallallahu alayhi Fais dua pour les autres aussi. C'est ça qu'il a dit dans ce propos. Il a dit, il ne faut pas qu'on oublie les personnes euh, que grâce à eux, nous ont ramenés. Admettons, il y en a, ils ont, y en a, ils ont fait surprise à leur époux, cher époux, donc Masha'Allah. Voilà, surtout, n'oublie pas de faire beaucoup doigt pour madame. Hein. Alors, Raouda, c'était bien passé C'était une épreuve. Hein. Mais Alhamdulillah. Mais alhamdulillah. Voilà, donc c'est bon Voilà. Sinon, il ne faut pas faire peur aux gens demain. Hein. Demain, c'est. Non, non, mais il faut, y aller doucement et être patient. Alhamdulillah. La, patience. Donc là, c'est bien déjà, Alhamdulillah. Alors, de faire pour tout le monde, Inch'Allah, surtout euh, vraiment de faire euh, quelqu'un Quelqu'un ne serait-ce un héros, il te dit voilà, prends ça, fais dua pour moi, c'est machallah. Quelqu'un il te ramène pour faire l'umrah, c'est quelque chose d'inoubliable. Fais dua pour la personne, ne serait-ce de dire Allah met des barakas dans sa fortune. C'est tout. Allah donne-lui des khayrs dans ce dunya et l'akhira. Allah donne-lui les khayrs. Et dis-toi qu'Allah, la récompense, euh, c'est partagé. Et ça, c'est le chose vraiment très important. C'est ça qu'il a dit euh, dans ses propos. Alors, si on sort dans la mosquée, je parlais de Bakr, j'ai dit que l'imam Malik, lui, respectait vraiment beaucoup, euh, avec le non. Et on n'oublie pas aussi, si on dit Médine, j'expliquerai, Inch'Allah, si on est dans le musée, mais il faut savoir, il faut savoir que si on parle de Médine, à l'époque, c'est la mosquée d'aujourd'hui. Les grillages de la mosquée, c'était Médine de l'époque. C'est comme si tu sors derrière le grillage que vous voyez là, c'est comme on est sorti de Médine C'est ça là en face de l'hôtel, vous voyez, il y a un jardin juste devant un peu. C'est là-bas ils ont fait allégeance à Abu Bakr Lorsque le prophète il est décédé. Saqifa Bani Parce qu'il dit, il faut qu'on sorte de Médine, d'aller se consulter hors Médine. Alors ils sont venus ici. Le jardin, il est juste là, là en face de l'hôtel. Là, quand même, c'est entouré maintenant. Donc ça montre que Medine de l'époque, regardez, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est la mosquée. C'est mashallah. C'est pour ça. Si vous pouvez, ça arrive, il y a un empêchement, on sort en retard ou il y a d'autres choses, on fait la prière ici. Mais si ce n'est pas ça, on fait la prière dans la mosquée. S'il n'y a pas la possibilité, on a un empêchement, on fait à l'hôtel. Comme je dis, il ne faut pas se forcer. Jusqu'à qui on se fatigue, euh, non. On essaie d'aller vraiment doucement, avec la douceur. Et après, Alhamdulillah, on est bien. Moi, je préfère qu'on va doucement, que là-bas, à la Mecque, on donne le maximum. Et après, Alhamdulillah, on donne au maximum, comme ça, on est bien. Mais de commencer ici, on n'a pas commencé l'Umrah, non, parce que l'Umrah, il n'y a rien ici. Hein. Ici, c'est la visite. Donc, euh, peut-être il y en a, ils n'ont pas de rendez-vous demain. Il disent, euh, alors il faut que nous, on fera demain. Sinon, là, ça ne va pas. Hein. Alors, le mamans, je pense qu'ils ne sont pas là, selon Ibrahim. Euh, Ibrahim, il faut que nous, on demain, selon là, ça ne va pas. Or, la Rauda, comme il a, expliqué aussi, Raouda, c'est un endroit. Inch'Allah, on va, nous allons vous montrer dans la mosquée. C'est des endroits, le prophète il a dit, Ma ou wa et raudatu min riyad al-jannah. Il a dit, entre ma maison et ma minbar. C'est quoi le minbar Hamad. C'est là, Mohamed C'est quoi le minbar <laughs> Répète. Répète encore. C'est c'est ça, ça Ah voilà, donc c'est bon. C'est ce qu'il a dit à lui, t'as entendu Donc là c'est bon. <laughs> Bien rectifié. <laughs> Bon, khair, Inch'Allah. Al-Minbar, Ahbab al-Kiram là où l'imam s'arrête pour faire le khutbah de vendredi. Hein? Et le prophète a dit entre minbar et ma maison, là, là cette partie-là, c'est le jardin du paradis. Cet endroit fait partie du paradis. C'est ça, il y a des savants, ils ont dit cette partie, donc c'est fait partie du paradis qu'Allah ramènera subhanahu wa ta'ala là-bas. Donc de faire la prière là-bas, ne serait-ce des unités de prière, c'est masha'Allah Mais il ne faut pas savoir, ou il ne faut pas penser aussi que alors là-bas, l'autre côté, donc si je ne fais pas, ça ne va pas, non. Parce qu'il y en a, ils viennent, ils ne trouvent pas de rendez-vous, il n'y a pas de solution. Et ils pensent que peut-être, ils pensent qu'ils n'ont même pas fait leur umrah aussi. Ah non, c'est pas ça. Le professeur Salouil a parlé de l'importance des Raouda. Mais ça ne veut pas dire que euh, si tu ne fais pas Raouda, que non, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je préfère qu'on arrive à distinguer entre les choses. Comme ça, même dans nos têtes, on est apaisé. Mais si on n'arrive pas à comprendre, souvent on se fatigue pour rien souvent. Or là, ce n'est pas le cas. Donc un endroit, c'est important, Inch'Allah. Donc euh, les femmes, vous, c'est demain, à 21h, et nous les hommes, vers euh, avant sop ou vous les hommes. Parce qu'il y en a, on a droit une fois seulement par an. Rendez-vous donc là. Imagine, euh, avant on faisait, mais là maintenant, si tu as fait, donc ça, il faut attendre jusqu'à l'année prochaine. Mais c'est un khair, Inch'Allah. Allah nous donne notre récompense. Le fait, le fait que nous allons vous, accompagner, Mohamed, là-bas, on est récompensé, Inch'Allah. Donc, après la mosquée, Inch'Allah, on a Baqia. Euh, oui, après Baqia, Kuba. Donc, demain, vraiment, Kuba, quand même, c'est le plus important parmi, ou plus que les autres visites aussi, de demain. Parce que c'est là-bas que Allah nous donne la récompense de l'Umrah. Mais en condition, avant de sortir, comme j'ai dit au début, il faut qu'on fasse le dos demain. Comme ça, si on arrive là-bas, on rentre dans la mosquée, on fait deux rakas. Deux rakas seulement suffira. Imagine si quelqu'un il fait trois, il a combien de umrah dans ces cas Ou on dit Mohamed, hein? la personne ne aura combien de umrah d'après vous Je ne sais pas, est-ce que la question elle est claire Alors, on a dit si tu fais deux unités de prière, on a la récompense de umrah. Alors imagine si quelqu'un fait deux, ou il fait trois, ou il fait quatre rakas, il a combien de umrah Hein Hein En fonction de combien de font, il n'y a pas de condition, condition. de regarder quelles conditions j'ai dit au début. Hein Ah, les ambitions. Où ou d'abord À la maison. C'est ça la, la, condition. Parce que souvent, il y en a, ça arrive, il y en a, qui nous dit alors là-bas, pour que de les faire sortir, c'est pas facile. Hein. Alors, vu que c'est l'ombre Allah Akbar. <laughs> Allah Akbar, salam alaikum. <laughs> Or là, c'est pas le cas. Pour pouvoir profiter de l'Umrah, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous J'ai fait le deux ici, je pars. J'ai fait des Qu'est-ce qu'il faut faire encore Alors, je dois faire l'intention de venir d'abord chez moi, c'est-à-dire à, l'hôtel. J'ai fait les habitudes, je repars encore. Vous voyez Sinon, là, si c'est de là-bas, tu fais 4 ou non, non, c'est pas ça. Parce que le prophète, il a dit, hadith euh, de Ben Omar, il a dit, euh, non, non, hadith de Ben Omar, il a dit que le prophète partait samedi. Souvent à pied, souvent sur le monture. Mais un autre hadith, il a dit, man papa harafi betihi. Quiconque s'est purifié chez lui, tu fais l'oudou chez toi. Summa ata masjid Quba, après tu viens dans le masjid Quba, wa salla Et après, tu as fait la prière. Donc, deux unités de prière, déjà, alhamdulillah. Donc le professeur a dit, c'est comme la récompense de l'Umra. C'est tout. Donc si tu souhaites avoir encore, viens chez toi, refais le et pars. Comme ça, tu seras récompensé. Donc après Kouba, Inch'Allah, il y a Uhud. Uhud, demain dans le car, Inch'Allah, on va essayer d'expliquer, Inch'Allah. Et après, il y a les sept mosquées. Pourquoi sept mosquées Inch'Allah, demain, nous allons expliquer aussi. Et également, il y a Qiblatin, les deux Il a expliqué ça aussi. Deux si on dit Dekibla, donc il faisait la prière deux fois. Souvent là-bas, souvent à l'autre côté, c'est ça <laughs> Ah Mohamed. <laughs> Bon, je passe hein. comme ça parce qu'il ne faut pas qu'on on prend beaucoup de temps. Der c'est l'histoire euh, magnifique. Vous savez, notre religion, on ne va pas suivre lui ou, euh, ou, tel, tel ou tel, non, non. Lui ou tel, non, on n'a pas besoin. Mais on doit suivre quand même la parole divine. Vous savez, le prophète, lorsqu'il est arrivé ici à Médine, il est resté 16 mois de Riwaya, 16, 16 euh, 17 mois. Il s'est dirigé vers Palestine, la mosquée de Palestine, Al-Qudus, troisième mosquée en islam. Et c'est après, Allah lui a autorisé de se diriger vers la Mecque. Dans Surat al-Baqarah, Allah nous a dit قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا dans Surat al c'est à partir de là que le prophète sallam, il, s'est dirigé chaque prière vers la Mecque. Alors pourquoi cette mosquée on dit deux Qibla Deux Qibla. En relation, on regarde les autres mosquées de Médine, euh, toutes les mosquées de Médine, c'est deux Qibla. Quand je dis deux Qibla, parce qu'au début, ils étaient vers Palestine, et après, ils ont changé la direction. Donc, ils ont fait le deux Qibla, on est d'accord. Mais par contre, dans la même prière de faire deux Qibla, il n'y a que sept mosquées seulement. Vous voyez la différence Quatre rakas de riwayat, comme un compagnon, il a prié avec le prophète Salmi Salat de Dhuhr, il y en a, il est l'Asr. C'est Zuhur, normalement. Lorsque lui, il a fini, il est parti chez eux dans leur quartier. En arrivant là-bas, l'heure de l'Asr, il a trouvé et il faisait la prière, mais toujours. Quelle direction d'après vous Hein Toujours, euh, voilà, toujours passé et ils n'ont pas entendu quand même euh, la nouvelle. Il n'y avait pas de téléphone, on appelle, salam alaikum, voilà. il n'y avait pas ça. Et ils avaient fait deux, déjà, deux rakas déjà, des unités. Et après, il a dit, je prends le Seigneur comme témoin. Allah, il, a, autorisé son messager de diriger quand même vers euh, la Mecque. Et directement dans la prière, ils ont changé. La place de l'imam, donc al ils, ils ont changé directement. Dans la prière, ils n'ont pas fait salam alaikum wa salam. Non. C'est comme ça arrive à quelqu'un, si il se trompe dans la prière, il ne connaît pas Kabla Abada, qu'est-ce qu'il fait Il a dit, j'ai fait salam alaikum, je reprends à zéro. Je dis, si tu trompes encore, donc là, tu peux aller jusqu'à demain. Hein. Alors, il se trompe seulement, ben, au lieu de rectifier, c'est facile la religion. Fais des, des prosternations, ça suffit. Mais vu que lui, ne connaît pas, il a dit, ben, vraiment, moi, j'ai fait salam alaikum, j'ai repris à zéro. Ça arrive quand même deux fois comme ça. J'ai dit encore troisième fois, tu fais comment Donc tu peux continuer et ça, ça ne va pas. Donc eux, dans la prière, ils ont changé la direction. Alors, donc on n'a pas de tension là, nous allons rentrer dans la mosquée de voir même l'endroit. Là, c'était Qibla et ils ont changé vers là-bas aussi, Qiblatine. Il y a les sept mosquées aussi. Inch'Allah, donc ça, c'est des endroits que demain, Inch'Allah, nous allons donner, nous allons détailler, Inch'Allah. Et après, comme ça, on vous laisse la parole. Comme ça, il ne faut pas qu'on soit long. Car là, ah, il est. Donc déjà, Il est 22, déjà on va essayer d'avoir dans 8 minutes quand même d'accourcir si vous avez des questions. Comme ça, euh, demain, Inch'Allah, 7h30, <coughs> on part d'ici. On part d'ici, Alhamdulillah, on fait le, maximum, Inch'Allah. Souvent, c'est difficile, euh, avant que les gens ils sortent, c'est difficile, mais il faut qu'on essaie de faire l'effort, de se préparer. Et après, si on part tout, vraiment, on gagne euh, par la suite. On peut acheter des dates, on reste longtemps un peu là-bas. Ou aussi, on peut rester là-bas de vous expliquer comme il faut. Et Kouba aussi, bon, y a pas, euh, euh, oui, il n'y a pas beaucoup d'explications. Dans la mosquée, après, on part. Mais les autres endroits aussi, c'est bien. Il y a des mosquées, première mosquée aussi, Del Juma aussi, c'est sur le chemin. Donc, on vous montre aussi, il y a des endroits, pour s'arrêter, ce n'est pas évident. Mais sur le chemin, on vous montrera quand même, Inch'Allah. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashar wa la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alors,